Et je pense que notre premier défi, c'est d'installer 65 calabasses dans chaque quartier de la commune de Rufisque-Ouest. Nous allons le faire parce que c'est à partir de ces calabasses que nous allons identifier les groupements qui adhèrent à ces calabasses qui nous permettront demain, avec l'ingéniosité de Moussa Diop, de mettre en place la banque communale, une banque communale dont les intérêts ne seront pas supportés par les femmes, mais que les intérêts seront supportés par l'institution municipale. Voilà la différence de la banque dont vous fréquentez, qui vous donne des crédits, avec la banque que nous allons mettre en place. ma wax ko si olof dama ne banque bi def day jóge si li nga xam ne qui tey indil nañu ko xel ak li wax moy tay on peut s'engager à mettre une calabasse.

moy rek groupement la bokka groupement nak identifié non lañ di système bi ngeen participer banque communale pour que à partir de maintenant de cette participation dans un document officiel si lolu lever fonds à partir des institutions mises en place par l'État du Sénégal muy fait muy DER muy ministère de la femme le ministère de la microfinance et d'autres partenaires pour que nous ayons une véritable phase de développement pour les femmes mais ce retenir ne ce sera pas un conseil d'administration où il y aura des hommes ce sera un conseil d'administration qui sera présidé par des femmes qui sera managé par des femmes parce que nous voulons incarner aussi le leadership féminin pour moi, nous irons plus loin avec vous parce que nous savons que vous êtes des formatrices. Nous savons que vous êtes d'excellentes commerçantes. Et nous avons aujourd'hui, nous, dans les activités que nous menons dans la vie, pouvoir donner encore un plus pour accompagner les femmes. Notre seul credo, c'est de rendre la femme autonome. L'autonomisation de la femme est très importante dans notre dispositif de politique qui permettrait demain de libérer la femme pour qu'elle puisse produire, vendre, s'autosuivre, euh, s'entraider pour se développer elle-même. Ça, on ne peut pas nous le mettre dans notre programme. Et je peux vous assurer que vous pouvez compter sur cette coalition. Parce que cette coalition, c'est une équipe. Ce n'est pas une coalition d'un homme. Ce n'est pas une coalition d'une femme. C'est une équipe de cadres, une équipe de responsables qui s'est engagé pour un seul objectif, redéfinir la place de la femme dans notre société pour que demain, nous puissions être aussi nous des hommes libres. loolu nak mënuñu ko won bañ wax ak yéen mais dañ seen xel dal dégg financement tay dama am lu ma doy parce que dama gis ay jigéen ñu jël engagement ne léegi dootuñu jël xaalis di ko séddoo seddoo amul njëriñ jox nañ jigéen cent mille mu développé ko yor ay millions jox nañ jigéen million mu développé ko ay centaine de millions donc seddoo amul njëriñ ñun li ñu bëgg tey yéen ñi yéen ngeen yor seen i BMW yor seen oto yu rafet yor seen kër yu rafet di ko dawal mais pour loolu liggéey te ku leen jox ngeen liggéey di ngeen liggéey Notre objectif, c'est de multiplier les FEDES à travers des activités comme la couture. T'es ici pour organiser dans une association. Je donne l'exemple de FEDES Couture. Vous faites 3000 personnes. Vous êtes indépendante parce que vous avez des couturières professionnelles parmi vous parce que loolu solidarité te ñun loolu développer en partenariat avec vous c'est pour cela la mise en place de la maison de la femme est une urgence nous voulons dès que vous nous ferez confiance en tout cas cette équipe mettre en place la maison de la femme pour que cette maison puisse arbitrer la formation et vous mettre dans de telles conditions que vous n'aurez qu'un seul esprit, l'esprit du travail.